Nigérienne, nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Amadou, Polyhybride s'exprime. Vous vous rappelez certainement de l'artiste, mesdames et messieurs. Hier, il était avec nous. On a quand même eu tout ce qu'il y a comme information sur Amadou Polyhybride. Quand est-ce qu'il a commencé l'humour au Niger c'était en 2013. Alors aujourd'hui, sur l'émission Tous à la Fada, nous allons parler du parcours en question du combattant. Il a hérité, il a ça dans les veines, il a ça dans le sang. Alors, ta première scène, ouais. je me rappelle, tu m'as dit, c'était en 2013 au lycée municipal. Effectivement. <laughs> Alors aujourd'hui, sur cette émission, nous allons avoir, ou nous voulons avoir, ton parcours de 2013 à 2020. Parce que tu as défini le ou la Covid en ta façon. Alors on va parler justement de toi, de 2013 à nos jours. Parlons de ton parcours mon frère. Euh, mon parcours déjà avant, euh, c'est à partir de 2017 que je me suis décidé vraiment à faire, à faire ça parce que au, au début, avant, je disais, je faisais ça juste à un moment donné, je disparais toute une année, mhm. je réapparais quand, parce qu'au lycée municipal déjà, mhm. j'ai laissé une signature. Donc ça fait que chaque fois qu'ils ont une activité, il faut qu'ils me cherchent. Mm -hmm. c'est un Covid ou Covid quoi <laughs> <laughs> ok d'accord après euh, c'était les études arrivé à la en classe de terminale je me suis dit je vais abandonner ça je vais tout mettre à l'écart pour étudier mhm. j'ai fait une fois ça n'a pas marché deux fois ça n'a pas marché mais hey c'est pas l'art qui empêche ça. Donc, il vaut récupérer mon art, c'est facile pour moi. <laughs> ok, et bah, en 2007, j'étais revenu, je suis, je suis revenu, j'étais revenu avec force. Euh, ok, 2017. 2017. Tu, tu étais revenu avec quoi en 2017 Avec force. Avec force Avec force. Mais c'était quoi la force que tu avais C'est quoi Tu te rappelles un peu les textes de 2017 Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as présenté en 2007 sur la scène Tu te rappelles en 2007, c'était des sketchs que j'ai. Ouais, c'est quoi les sketchs Est-ce que je peux avoir un sketch sur cette euh, rubrique euh, que tu as présentée e? euh, Le, le, sketch, j'étais enseignant. Et je serais l'enseignant qui, corrompu. l'enseignant qui sera corrompu par les élèves. Ok. Et, qui, à ah, après, Halcia va venir le prendre. Ok. Après ça, j'ai bénéficié d'une formation mhm. avec un grand réacteur et réalisateur, El Kebir, Mohamed El Kebir. El Kebir, je connais le cinéaste El Kebir, Effectivement, il m'a, par le biais de Coucou le Fou, Ok, c'est le un des humoristes aussi. Un des humoristes. Ah. Donc j'ai reçu une formation pendant toutes les vacances. Et la même année, j'ai eu mon bac à l'écrit. Ok. Après avoir galéré. Après avoir galéré. pas à la galerie, <laughs> après avoir galéré dans la vie académique. Ouais, la vie académique. Ouais, c'est pas chose facile. Jean les deux, moi je suis, aussi suis d'accord. c'est pas du tout chose facile. Là, nous étions en 2017. Après 2007, j'ai mis pied à l'université. Ok. Là où. Tu as mis ton pied à l'université Oui, parce que euh, c'est là que j'ai eu mon bac en 2007. Donc, après. C'est les deux pieds que tu as mis à l'université ou non, c'est le pied droit C'est les deux pieds. Ah, les deux pieds C'est les deux Ah, je pensais que l'autre pied est dans le monde de là Ouais, mais quand je rentre, euh, euh, je suis rentré avec le dépit. <laughs> Comme ça, l'autre était rentré vers la culture de, l'université. Et là, j'ai profité avec beaucoup de formations ok que donc, qui m'ont permis de sortir à l'extérieur uh-huh. pour bénéficier des formations avec euh, le Camerounais. Uh-huh. qui, fait de l'humour, qui a même un comédie club. Le Camerounais, quoi, <laughs> Valérie Ndongo, merci. <laughs> oh Alors, à ta polyhybride, hein, une chose est sûre, hein, on sait que toute activité est difficile à exercer. Alors, dites-nous euh, ce que tu as rencontré comme difficulté dans la vie artistique, et euh, humoristique euh, ici au Niger. Bon. ok. Bon, moi, sincèrement, je suis du genre à ne pas garder le mal. Ok. Je garde que le bien. Ok. D'où tout ce que j'ai vécu, c'est vrai. Tu as du bien, tu peux me faire ressortir du bien en poche tu as du bien en poche. Tu as dit que tu ne gardes que le bien. Je au fond de moi. Au fond de toi. Oui, j'ai. Fais-moi sortir du bien au fond de toi. Voilà, tu es en train de rire. <laughs> C'est déjà du bien. ouais, ça fait, le ça rire, fait du bien. Le rire est thérapeutique. Ouais, bien sûr, bien et, sûr. ça fait du bien okay, aussi. Ok, parlons de tes difficultés alors. Mes difficultés Oui que tu as rencontré D'abord, c'est en premier lieu, c'est la famille. La famille. La plus grande difficulté. Le papa n'a pas du tout voulu que tu. Le papa n'a pas du tout voulu. Après, il a failli contaminer la maman. <laughs> Tout ça là. Et me suis, j'ai quitté le domaine. J'ai, à un moment donné, j'ai mis, j'ai mis pause parce que je me suis dit, comme mhm. il ne veut pas, il faut que je Mais je les ai fait comprendre. Tu as, tu as voulu faire plaisir à ta famille. Ouais, je les ai fait comprendre que, en fait, c'est ce qui me nourrit. C'est grâce à ça, ça fait des années, je ne le demande rien. Donc, comme vous savez que je fais, je fais l'agro, hein? veillez veuillez contribuer. Ah, ah. Mais ils ont dit d'accord, mais en parti contrepartie, sûrement c'était pas, l'accord n'était pas à jour. Donc, je me suis dit, Amour, comment est-ce que tu peux faire sans qu'ils se rendent compte de ce que tu fais avant que ça soit le moment. En ce temps, je faisais de la comédie où je m'habillais bizarrement, on faisait des, donc, ils voyaient ça. Après, quand j'ai commencé à m'habiller mhm. comme étant un humoriste, mhm. parce que l'humour, les gens le voient autrement, mhm. je m'habille bien, toujours en costume et tout, bien, des vraies chemises. Les gens n'ont pas compris ce que je suis en train de faire. Jusqu'à j'ai fait l'année 2018, jusqu'à arriver en 2019. C'est après que ça a pris, ils ont vu, mais ils, juste là, ils me voient sur scène, mais ils ne savent pas, c'est par Avec mon spectacle tout récemment, qu'ils ils ont compris qu'en en fait, ça a de je fais de l'humour et ça a de l'avenir. Bien sûr. L'humour a de l'avenir au Niger, mesdames et messieurs. Alors, je n'ai pas besoin, en tout cas, de numéro, c'est que tu as gagné. Tu l'as déjà dit dans le premier angle que tu as gagné une femme. Dans ah, l'humour, tu as gagné une, moto. <laughs> tu as gagné la définition. Ah, c'est une moto. <laughs> tu as gagné euh, la définition ah, du mot Covid que euh, tu as défini aussi. Ok, d'accord, dans le premier angle. Hein, sur l'émission franco allemand nous sommes à la fin de l'émission. Alors, je voudrais un message à l'endroit de tous qui kiffent cette émission, les jeunes qui kiffent l'humour, pour qu'ils puissent aussi vous vous soutenir et continuer à vous soutenir. C'est très important. Vous avez en tout cas besoin de cela. Tout le Niger te kiffe. Alors, Amadou Polyhybride, nous t'écoutons. Ou le Niger t'écoute dans la fraternité, le travail et le progrès. et eh, je tiens à dire merci à tous ceux qui me suivent de l'intérieur. Donc, tu me dis merci et merci aussi. <laughs> Parce que je te suis, moi, de l'intérieur Oui, et de l'extérieur aussi. de l'extérieur aussi, <laughs> Effectivement. Ok. Franchement, parce que en, 2020, 2020 j'ai fait beaucoup de voyages à l'intérieur du pays et mhm. je et j'ai jamais été quelque part où je suis pas, on ne me connaît pas déjà. OK. Et déjà, gens connaissent ce que je fais, déjà à partir même des images que j'ai publiées sur ma page Facebook. Sincèrement, je tiens à dire merci et continuer à nous aider. Et c'est grâce à vous, on pourra piquer la barre plus haute parce que c'est pas en tant que tel, euh, le côté de l'artiste, l'artiste doit travailler, c'est vrai. Mais il y a aussi la population, qui doit l'aider à partager tout ce qu'il fait parce que les partages, ça contribue et l'artiste aussi doit travailler pour essayer de convaincre les gens à, partager ce qu'il fait. Bah. Gros merci à vous et continuez à nous soutenir. Un jour, vous allez nous voir au high level, Inch'Allah. Ah, ben, ben, tu es déjà au high level. Nous, nous croyons en toi. Et eh, moi, je crois en toi. Je sais déjà. J'ai l'habitude de voir ta scène. Je sais que tu es pétri de talent. Alors, j'espère aussi que les jeunes qui kiffent cette émission ou la population du Niger qui nous suit à travers les 45 radios vont donc prendre aussi en compte tout ce que tu viens à l'instant de dire. Une page Facebook. L'homme polyhybride. Et il y, a ma page YouTube aussi, Amadou Lompoli Hybride. Pour qu'ils puissent, puissent, te suivre et t'apporter. Euh, voilà, et, ils verront beaucoup de choses. Souvent, je, je stocke des, des vidéos dans ma page euh, YouTube. Ok d'où ils verront beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais, même pas crues. parce que j'ai été sur beaucoup de festivals mhm. internationaux. Donc super. Genre j'étais sur Fish Goni, Ok. émergence qui regroupe environ 8 pays Ok. de l'extérieur de, l'extérieur de, de ah. Hey, tu as fait, beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Pour lui une dernière question. Oui. Tu es célibataire ou bien tu es marié Je suis marié à l'art et à mes études. <laughs> T'as pas de copine ah, Fais, gaffe, attention. Je ai pas. Attention, je te dis. Hein. Je ai pas. Ça peut te coûter cher cette histoire. Je sais. Tu as deux femmes. Je la première, c'est. L'art. L'art. La deuxième, c'est mes études. Ah, ok. Parce que eux, ils vont, c'est après eux ils vont faire venir la femme. La femme, que tu n'as pas de dire, souvent c'est compliqué. C'était l'homme polyhybride, mesdames et messieurs. Souvent, j'ai dit, hein. souvent, j'ai dit, j'ai pas dit que c'est ça. Laisse-moi clôturer. Ah oui, d'accord, il faut que je note aussi. Laisse-moi clôturer, s'il te plaît. Pas que madame aime quoi, ah. ramener sur moi. Laisse-moi clôturer. moi, je ne suis pas marié qu'à l'arrière. J'ai une, femme à la maison. Ah, Toi, tu t'es déjà, en fait, tu t'es marié à et à l'académie. Donc, moi, j'ai trois femmes. Bientôt la quatrième. Mesdames et messieurs, c'était donc euh, l'homme polyhybride euh, sur l'émission Tous à la Fada. En la rubrique, l'artiste s'exprime. Eh, prochainement, nous serons aussi avec d'autres humoristes sur cette émission. Pour l'instant, je préfère ne rien dire. Mustafa Yuba, merci pour la réalisation. Euh, Issa était là aussi. Lawali, merci pour la réalisation. Ah, nous vous demandons eh, de rester eh, en compagnie Eh. Programme. Eh. eh. eh di Studio. Eh, eh. Kalangu. Machine. Talk it. Hey.